le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou forum du studio forum du studio forum du Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Des programmes disponibles également sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse à l'année scolaire 2018-2019, préparatifs, défis et perspectives. Selon l'agence de presse africaine APANUS, au Niger, la rentrée scolaire 2018-2019 pour les lycées publics et privés du Niger s'est déroulée le 17 septembre sous le signe de la stabilité, de l'accès et du maintien des filles à l'école avec 101 177 élèves au total qui ont repris le le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. C'est du moins ce qu'a indiqué Mohamed Sanoussi El Samoro, ministre des enseignements secondaires. Ainsi, selon lui, toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de l'année. Pour ce faire, 1 milliard 814 millions de francs CFA ont été injectés dans l'acquisition des fournitures scolaires. Avec nos invités, nous allons parler de ce qui est fait et à faire faire sur le terrain pour une bonne rentrée. Maïdaji Mahamadou, directeur général des formations, examens et concours au ministère des enseignements secondaires. Maïdaji Mahamadou, bonsoir. Bonsoir. Chebou Dambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire SNS. Chebou Dambaji, Bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Iliassou Al-Husseini, vice-président de la coalition des ONG et associations du syndicat pour une éducation pour tous, ASUEPT. Iliassou Al-Husseini, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Abdoulaye Adamou, président régional de l'association des parents d'élèves et étudiants de la région de Niamey. Au microphone, votre serviteur Mokhtar Hamadou. Maïdaji Mahamadou, dans quelles conditions s'est déroulée la rentrée scolaire 2018-2019 pour les lycées le 17 septembre passé Merci beaucoup, Monsieur Mokhtar, de l'occasion que vous nous offrez pour euh, parler avec vous, avec euh, tous ceux qui vous écoutent euh, de la rentrée scolaire 2018. Eh bien, vous me posez la question à savoir dans quelles conditions vous avez bien suivi au lancement de la rentrée ici à Niamey et le ministre des enseignements secondaires qui vous a clairement dit que effectivement toutes les dispositions ont été prises pour une bonne rentrée et une rentrée ça se prépare. Et c'est ce que le ministère des enseignements secondaires a fait. D'abord, avec euh, un certain nombre de rencontres, notamment une première rencontre autour du ministre, naturellement, et du secrétaire général, avec euh, tous les directeurs régionaux pour faire le point sur le bilan de l'année scolaire et les perspectives, notamment donc la rentrée. Ensuite, et c'est là que j'en viens, à la rencontre annuelle que nous organisons chaque année. Et chaque année, il y a un thème qui est différent de l'année précédente, mais à chacune de ces rencontres, il y a ce que nous appelons le bilan de l'année scolaire. Donc ça, c'est inévitable. À chacune de nos rencontres, chaque région présente à l'ensemble des participants son bilan, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Et c'était également une occasion pour parler des préparatifs de la rentrée. À chaque fois, on fait le point. Parce que c'est quoi la rentrée les préparatifs de la rentrée, c'est d'abord faire le point sur le personnel administratif, le point sur le personnel d'appui, le point sur et surtout sur les enseignants et les fournitures. parlez des affectations Non, les affectations, ça vient après. Mais on fait le point. On dispose de combien d'enseignants selon nos besoins, puisque dans le bilan, on détermine nos besoins. Et sur ce besoin, on dispose de combien d'enseignants. Et naturellement, après, eh évidemment, s'il y a nécessité de faire des mouvements, on le fait. Donc là, on fait des affectations et si vous faites un tour au ministère des enseignements secondaires, vous verrez que avec la participation de tous les partenaires, la commission qui est chargée de faire ces mouvements s'était réunie, a fait le mouvement et en principe, euh, tous ceux qui doivent être affectés l'ont été euh, en présence des différents partenaires. C'est pas fini. vous avez parlé des conditions. Il faut que je vous donne toutes ces conditions. Au moins tout ce qui a été fait dans ce sens-là. Donc du point de vue du personnel enseignant, parce que c'est l'essentiel. Quand il n'y a pas d'enseignant, on ne peut pas parler de rentrée. Quand il n'y a pas d'enseignant, on ne peut pas parler d'apprentissage. Quand il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'école. Donc, c'est l'acteur essentiel dans le système éducatif. Eh bien, nous avons fait le point sur nos disponibilités et nos besoins. Nous sommes euh, à la fin de l'année à près de 16 000 enseignants créés en main au niveau du secondaire et nous avons fait un besoin de 4 500 enseignants pour la rentrée 2018. Eh bien, nous avons, nous, au niveau du ministère, on a même trouvé ce besoin très exagéré parce qu'il faut dire qu'il y a une situation qui est là. Dans les grands centres, souvent, nous avons des enseignants qui sont là, souvent, avec euh, vraiment, qui ne respectent pas les horaires déterminés officiellement. Donc, on s'est dit que c'est vrai, il y a un gap, mais qu'on reprenne la situation, qu'on reprenne d'abord les cours et en fonction des horaires des uns et des autres, en l'occurrence 18 heures pour les lycées, 21 heures pour les, les collèges. Et évidemment, à ce moment-là, c'est avec réalisme qu'on saura le gap et on viendra régler ça certainement le plus tôt possible. Par rapport aux enseignants, par rapport aux fournitures, nous avons fait le point également de tout ce qu'il y a dans nos magasins. Au niveau central, si vous avez bien suivi, c'est le ministre même qui a visité ces magasins-là, et au niveau central, au niveau euh, régional, et ce qu'il y a en commande. Et effectivement, le disponible que nous avons nous permet de débuter l'année normalement. Et après, vous l'avez indiqué, c'est près de 2 milliards qui ont été utilisés pour l'achat des fournitures qui ne sont pas encore parvenues. Et naturellement, quand ça viendra, nous pourrons faire le point et donner à chaque élève son kit et vivre la rentrée. Medaji Mahamadou, est-ce que la rentrée a été effective dans toutes les huit régions du Niger vous avez des représentants que je sache. Vous, journalistes, posez la question à vos journalistes, vous-même, vos représentants. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à la rentrée Et naturellement, hein, au tout début des activités scolaires, il y a toujours des balbutiements. C'est clair. Tel qu'ici à souvent, souvent, au premier jour de la rentrée, évidemment, c'est pas tout le monde qui arrive à l'école, mais même le premier jour, c'est-à-dire même le 17, à Niamey, j'ai vu beaucoup d'établissements. En tout cas, personnellement, j'ai passé dans plusieurs établissements où j'ai vu beaucoup d'élèves dans les salles ou qui ont signé au moins pour prendre leur fourniture. Il y avait euh, quand même le mot d'ordre de la section lycée et collège euh, qui a appelé au boycott de la rentrée à Niamey précisément. Mais je vous dis que j'ai vu, moi, et vous pouvez, vous aurez dû inviter des proviseurs qui vont vous donner avec, disons, avec euh, preuve à l'appui que le 17, voilà tel nombre, sur tel effectif qui ont signé. J'ai été au Corombé, j'ai vu ceux qui ont signé pour prendre leur cahier, qui sont donc là, qui sont prêts à aller à, l'école. Médaji Mahamadou, cette année, la rentrée pour les lycées publics et privés a été placée sous le signe de la stabilité, de l'accès et du maintien des filles à l'école. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour la stabilité de l'année, l'accès et le maintien des filles à l'école la stabilité, qu'est-ce qui généralement entraîne les grèves Très souvent, c'est le non-paiement des pécules. Des enseignants C'est le non-paiement des pécules des enseignants qui entraîne des mouvements de grève des enseignants contractuels notamment. Eh bien, des dispositions ont été prises pour payer ces pécules à temps. Et hier, effectivement, parce que je savais que vous allez me poser cette question, je me suis renseigné auprès des financiers et que on m'a clairement dit que il n'y a aucun retard de paiement de pécule des enseignants. Et les allocations des élèves J'en viens aux allocations. Mais avant, retenez que à la, la date d'aujourd'hui, du point de vue paiement des pécules, il n'y a pas de retard. Et ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup ont été engagés avec matricule à la fonction publique, donc, et là, ils ont un gap entre les pécules et les salaires, il y a un gap. Et j'ai vu les engagements, je les ai vus hier, les engagements pour payer ce gap-là d'août et de septembre. Donc, on m'a rassuré de ce point de vue qu'il n'y a pas de retard au niveau des finances. Il se peut qu'au niveau des régions, là c'est un peu différent parce que souvent, quand on envoie des AD, c'est pas évident que toutes les régions arrivent à payer immédiatement ces pécules-là. Mais toutes les dispositions sont prises. Ça, j'ai discuté par exemple avec le gouverneur d'Agadez. Lui, il m'a dit qu'il a fait de ça une priorité. Et Agadez n'a jamais eu de retard dans le paiement des pécules. Et c'est la recommandation que nous avons faite au niveau de toutes les régions pour que tous les gouverneurs prennent toutes les dispositions afin qu'il n'y ait pas de retard dans le paiement de ces pécules. Donc si les pécules sont payées, au moins de ce côté-là, on peut penser à la stabilité. Les allocations, c'est beaucoup plus une tempête dans un verre d'eau, parce que très souvent, c'est très minime et c'est beaucoup plus pas les bénéficiaires qui font des mouvements autour, mais juste des gens qui veulent s'accrocher par rapport à ça parce qu'ils ont un intérêt. C'est eux qui font le plus souvent du bruit. Tenez-vous bien. J'étais en fin d'année à Tilaberi en juin les élèves étaient en composition et la section avait bloqué les compositions. Le DRESS demande pourquoi. Je lui pose la question, mais pourquoi ils vont bloquer Il dit, ah, on n'a pas payé des allocations. J'ai dit, mais si tu l'avais dit, on a payé les allocations. Il dit, non, non, non, c'est pour Ayoru et Filengue. Ayoru et Filengue étaient en classe en train de composer. Ici, ils sont en train de s'agiter pour qu'on paye leur allocation. Alors que eux, ils ont pris leur allocation. Donc, vous voyez bien que c'est juste une question d'intérêt et que même là, toutes les dispositions sont prises pour, en principe, qu'il n'y ait pas de retard et qu'il y ait donc, par conséquent, cette stabilité-là. Du point de vue pécule, du point de vue allocation, le gouvernement a rassuré le ministère des, tous les ministères en charge de l'éducation que le ministère des Finances a pris toutes les dispositions pour une stabilité afin que leur reviennent. Parce que pour qu'on maintienne la fille à l'école, pour, pour, pour, que pour qu'on maintienne la fille à l'école, pour qu'il y ait, pour que les filles aient un bon parcours à l'école, il faut nécessairement qu'il y ait cette stabilité-là. On ne peut pas avoir un enseignement de qualité tant qu'il y a de l'instabilité. Et l'enseignement de qualité, c'est aujourd'hui le cheval de bataille du gouvernement. Chef Boudambadji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, dans quelles conditions les enseignants du secondaire ont effectué la rentrée scolaire 2018-2019 pour les lycées publics et privés Une rentrée, il y a un certain nombre de tâches à exécuter par l'administration. C'est ce que Mahmoud vient de vous décrire. Même quand s'il y a, il faut mettre comme un bémol moi, je raconte pas des histoires, je suis dans un établissement et j'ai des informations au quotidien. Donc dire que la rentrée, le premier jour a été effective, vraiment, je crois que c'est un peu osé. Je ne dis pas que euh, c'est le mot d'ordre de, de, grève des élèves, notamment au niveau de la région de Niamey, qui était à l'origine de l'effectivité de la rentrée. Vous savez, pour moi, ce n'est pas le temps de la rentrée qui importe. La rentrée, c'est un événement d'un jour où le ministre, son staff, les élèves viennent, on fait la cérémonie. C'est pas tant la rentrée qui importe, mais c'est tout le déroulement de l'année scolaire. Comment créer les conditions pour que l'année scolaire puisse être stable Parce que vous ne pouvez rien construire de solide si le système n'est pas stable. Ça, autour de ça, là, il n'y a pas de débat à faire. Euh, je constate que, par exemple, euh, relativement à la mise en place du personnel enseignant, je constate qu'à la date d'aujourd'hui, les affectations qui sont censées être faites depuis le mois d'août pour que l'enseignant puisse rejoindre son poste. À la date d'aujourd'hui, en tout cas là où il y a eu mouvement, la décision n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, à moins qu'elle ne soit sortie hier. Et je relève que même le directeur général, dans ce qu'il a, dans les éléments qu'il a avancés, il a parlé d'un besoin de 4000 enseignants qu'il faut recruter. Même cela a dit qu'il y a euh, un surplus d'enseignants euh, au niveau des centres urbains. C'est un fait. Mais dans l'évaluation de ce surplus-là, assez souvent, on ne tient pas compte aussi des normes. Parce que c'est dans les centres urbains que vous avez des classes hyper pléthoriques. Donc, des enseignants qui ont des classes de 120 élèves pour un ratio classe-élève de 46. En dehors des classes de 6e, le décret qui porte les normes techniques et pédagogiques, le ratio qu'il donne au niveau des collèges et lycées, c'est de la sixième en quatrième, je crois que c'est eh, que c'est 50. Mais eh, de la troisième jusqu'en fin, jusqu'en terminale, c'est 46. Donc, assez souvent, lorsqu'on évalue les obligations hebdomadaires, on n'en tient pas compte. Vous allez avoir un enseignant qui tient une classe, une classe de 125 élèves, et l'administration veut lui donner 18 heures ou 21 heures. Ça, <laughs> je pense que euh, à l'avenir, il faut qu'on en tienne compte. Une classe de 120 élèves, lorsque vous faites une heure de cours, c'est équivalent à au moins trois heures de cours. Là où les gens sont bien organisés, lorsqu'on dépasse la norme, il y a une décharge qui est faite en fonction du nombre d'élèves dans la classe. Alors, maintenant, je vais revenir un peu sur euh, ce qui se passe dans les établissements. L'instabilité, les raisons sont connues de l'instabilité. Lorsqu'un enseignant va en grève pour demander son salaire, si on lui donne effectivement l'assurance parce que vous savez le, ce que Mahamadou vient de dire, mais dans les rencontres que nous avons eues et dans les accords que nous avons eus avec l'administration, ça a été consacré. Mais dans les faits, on se rend compte qu'il y a des difficultés à rendre cela effectif. Le paiement de salaire, notamment pour les contractuels, et même lui, il a mis un bémol lorsqu'il dit que du niveau central, on envoie seulement les autorisations de dépenses. Donc, les départements ou les régions qui sont moins nantis payent ces salaires-là avec retard. Donc, nous, au niveau des syndicats d'enseignants, le collectif dans lequel euh, nous sommes, à la veille de la rentrée du 17, nous n'avons rien envisagé. Nous pensons qu'il faut donner l'occasion, il faut donner la chance aux négociations. Chez hmm. eh, quels sont les défis Mahmoud, tu as parlé pendant 25 euh, minutes. Quels sont les défis donc, de laisse, cette année Donc laisse-moi parler, et on va me poser les questions. Dambaji, quels sont les défis de cette année scolaire euh, dans le secondaire Les, les défis, c'est comme il l'a dit, c'est la stabilité. Créer les conditions de stabilité au niveau des élèves et au niveau des enseignants. Parce que ces deux acteurs-là, ce sont eux qui font l'école. Si l'un n'est pas en classe, il n'y a pas d'école. Même si les enseignants sont en classe, hein, si les élèves boycottent, les élèves sont en grève, il n'y a pas d'école. Donc, le défi, c'est celui de la stabilité. Les raisons de l'instabilité sont connues. Moi, je vous dis qu'au niveau de la rentrée, du second cycle du secondaire, encore que moi, je suis de ceux qui croient que cette euh, décision qui a été prise il y a une dizaine d'années, vraiment, il faut la réexaminer. Je dis qu'il faut la réexaminer. Qu'il y ait pour un même ordre d'enseignement deux rentrées. Vous voyez, par exemple, au niveau des CES, même pour la répartition des, horaires, il y a des difficultés. Et rien, à mon avis, ne justifie qu'on fasse une rentrée pour le, premier cycle du secondaire et une autre rentrée le collège. Abdoulaye Adamou, rappelez-nous rapidement le rôle et la mission de votre association, l'association des parents d'élèves et étudiants. La préoccupation de tout le monde, c'est la rentrée scolaire. Et nous, nous avons un rôle de, médiateur, de facilitateur. Et vous voyez, nous intervenons, et nous sommes à chaque moment, soit du côté, pour amener la stabilité dans l'éducation. Et notre rôle principal, c'est d'amener vraiment la quiétude sociale et mener vraiment des, négociations entre les acteurs. Abdoulaye Adamou, quelle est la responsabilité des parents d'élèves pour relever les défis d'une bonne année scolaire Bon, vous savez, les parents d'élèves, qui est parent d'élèves Tout le monde ici est parent d'élèves. Le président de la République, il est parent d'élèves. Les ministres sont parents d'élèves. Mahmoud ici, il est parent d'élèves. Dambéji, tout le monde est parent d'élèves. Nous avons tous un rôle à jouer. Et nous avons tous à jouer nos rôles en tant que garant de l'intégrité de la, nation, le président. Il est le premier responsable à jouer sa première responsabilité pour garantir la stabilité dans les écoles. Nous sommes dans une nouvelle année. Tout le monde savait comment l'année dernière s'est écroulée. On a eu trois mois d'instabilité et pendant ces trois mois, le président, on dirait qu'il est même absent de ce pays-là. Moi, je me rappelle au temps de Tanja, quand on a eu ces problèmes au niveau de l'université, il a intervenu. Le lendemain, le ministre, de le ministre en charge de, l'enseignement supérieur a donné toutes les satisfactions possibles et il y a eu une reprise immédiate des cours. Aujourd'hui, vous le savez très bien ce que s'est passé l'année dernière. Rien que des de tiraillements, des tiraillements pendant tout le temps, la présence dont on ne pensait pas des forces de l'ordre sur le campus. Il y a tout un tas de, de choses qui se sont déroulées à la vue des autorités. Donc tous sont des parents d'élèves. Et aucun d'entre eux n'a osé jouer son rôle. Le président l'a dit tout récemment parce que le 27% et les 38% de taux au bac au Moi, je l'ai dit ici avant qu'ils le disent. Cela ne, surprend personne au Niger. Pourquoi Parce que lui-même l'a confirmé que l'État n'a pas honoré à ses engagements. Et dès que l'État ne s'engage pas, à faire les dépenses nécessaires pour l'éducation. Si on demande 25% de budget pour le financement de Mais si jamais cela n'est pas garanti par ces mêmes parents d'élèves qui sont le président, le gouvernement, ceux-là, les sont des techniciens autour d'eux. on verra qu'ils ont failli ce serait très grave. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a amené vraiment aujourd'hui à comprendre qu'il y a eu un échec total du système de la gestion scolaire. Il y a Ousseni, chaque année, ce sont plusieurs milliards de francs que l'État nigérien et ses partenaires investissent dans le secteur. Pourquoi ça ne marche pas, à votre avis Merci bien, Mokhtar. C'est vrai que euh, chaque année, l'État et ses partenaires mettent beaucoup de ressources pour que l'école nigérienne fonctionne correctement, pour que les conditions de vie des enseignants, des élèves soient améliorées. Mais malheureusement, on constate que chaque année, on perd beaucoup d'heures suite aux grèves des enseignants qui ont euh, leurs revendications qui sont légitimes. La grève de l'USN également qui est là. Pour nous, au-delà des moyens qui sont investis dans le système éducatif, il faut que les deux parties, s'asseyent, comme ils ont l'habitude de le faire, sur une même table pour discuter de la rentrée. J'aurais bien aimé, euh, dans l'intervention du directeur, pour dire combien de réunions ils ont fait avec les syndicats l'enseignant avec les partenaires sociaux. Peut-être le directeur va revenir sur ça. combien de réunions ils ont organisées avec les partenaires sociaux pour préparer la rentrée scolaire Parce qu'au-delà des préparatifs euh, d'ordre technique, il y a aussi cette question de stabilité qui revient par-ci, par-là, qu'il faudrait créer. Je salue au passage quand même euh, euh, le comportement des, syndicats. Lambaji l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien dit, c'est pour donner la chance Assez concret les conditions euh, euh, je pense que le gouvernement doit saisir euh, cette opportunité pour asseoir davantage le dialogue. Parce qu'au niveau de la coalition ASOEPT, nous avons toujours dit qu'on ne peut pas faire la qualité sans la stabilité. On ne peut pas faire la qualité tant qu'il y a beaucoup de grèves et les parents de vous l'a dit, nous sommes tous des parents, nous devrons tous œuvrer pour que cela soit. C'est pourquoi euh, au niveau de ASOEPT, nous pouvons euh, dire qu'aujourd'hui, il est important, ce n'est pas tard de réunir les acteurs, les partenaires pour discuter. C'est vrai que le gouvernement a injecté beaucoup d'argent euh, pour acheter les fournitures. Euh, le gouvernement est en train de se déployer pour stabiliser le paiement de pécules de contractuels, ce qui est une très bonne chose, surtout avec euh, cette question de, de traitement pécunier que nous attendons de voir ce que ça comporte, qui est une très bonne chose si ça arrive au vu du contexte de morosité économique dans le pays. Si on arrive à le faire, on arrive à payer les enseignants à temps. À mon avis, ça pourrait changer. Et peut-être euh, mes amis syndicalistes aussi vont aller vers d'autres revendications qui ne sont pas salariales. C'est lié peut-être aux conditions de vie des élèves. Peut-être demander à ce qu'il y ait plus euh, des cantines scolaires, dans les écoles, qu'il y ait beaucoup plus euh, euh, de fournitures, qu'il y ait beaucoup plus. Cela veut dire que euh, les syndicats vont porter les revendications des élèves, parce qu'eux-mêmes, ils sont des parents. Ilyas Alousseni, quels sont les résultats significatifs réalisés par la coalition ASOEPT pour une école de qualité pour tous au Niger Vous savez, Mokhtar, ASOEPT, c'est une coalition qui fait du plaidoyer pour l'amélioration de la qualité de l'éducation au Niger. Nous accompagnons les politiques de l'État. Nous n'avons pas une politique à nous. On essaye d'accompagner l'État pour mettre en œuvre ces politiques. Vous savez, au niveau mondial, il y a l'objectif de développement durable euh, qui a été adopté, notamment à l'ODD 4, où aujourd'hui, lorsqu'on a fait le bilan, le bilan des trois ans de mise en œuvre de l'ODD 4 à Nairobi, il a été constaté que les gens ont connaissance de l'ODD 4. Mais les politiques de nos États ne sont pas alignées, et notamment euh, sur les sept cibles de l'ODD 4. Donc, au niveau des EPT, nous sommes en train de faire le plaidoyer, surtout que nous sommes dans la révision du programme sectoriel de l'éducation et de la formation, pour que nous puissions aligner notre programme sectoriel à l'ODD 4, pour qu'à l'évaluation de l'ODD 4, qu'on puisse savoir les indicateurs de notre programme sectoriel et les, et les cibles de l'ODD 4 sont alignés. Ça permettra quand même de dire, voilà où est-ce que nous voilà ce que nous avons fait. Aujourd'hui, c'est notre combat au niveau de ASOEPT et nous l'avons dit au ministère en charge de l'éducation, à travers le groupe euh, local des partenaires de l'éducation, qu'il est important, qu'il est urgent d'aller vers cela. C'est pourquoi, souvent, quand on essaie d'évaluer nos politiques, on dit que nous sommes derniers, nous sommes derniers. C'est parce qu'on n'essaye pas euh, d'aligner nos politiques à ces indicateurs. Or, vous savez, les évaluateurs, ils regardent tous les indicateurs, tous les engagements auxquels l'État a souscrit pour voir est-ce qu'il y a de l'alignement vous êtes à quel niveau Or, au Niger, vous ne trouverez pas de repères. Vous vous perdez dans les repères. Il va de soi qu'on dise qu'on est dernier. Donc, il est important qu'on s'asseye pour regarder cet état des faits. Et maintenant, vous allez voir que les choses pourront changer avec le concours. Et surtout, je reviens à la question de la stabilité. selon toujours euh, l'agence presse africaine APANUS, dans l'optique euh, d'assurer une bonne année scolaire, le ministre a tenu à rappeler l'ordonnance portant régime des associations. En rappelant les dispositions de deux ordonnances, le ministre Samro met désormais en garde l'USN, l'Union des scolaires nigériens, contre toute velléité de perturber les cours des élèves du secondaire du fait de ces multiples mouvements de grève qui ont fortement perturbé les cours ces dernières années. La rentrée pour les élèves des collège d'enseignement général est prévu pour le 1er octobre 2018, a également rappelé le ministre Mohamed Sanoussi El Aja Samro. Maïdaji Mahamadou, comment analysez-vous cette déclaration du ministre des Enseignements secondaires Merci, monsieur Mokhtar. Mais je voudrais bien, euh, avant de revenir à cette question-là, je voudrais juste euh, rappeler pour euh, Dambaji que sur 16 euh, 000 enseignants, nous n'avons enregistré pour les demandes d'affectation que quelques 400 dossiers. Donc vraiment, les affectations ne peuvent en aucune façon perturber une rentrée. Et surtout que, selon nos textes, tant que tu n'as pas reçu la décision qui t'a affecté de tel endroit à tel autre endroit, tu es toujours là où tu étais. Donc vraiment, les affectations ne peuvent pas en principe perturber notre rentrée. Pour le parent d'élève, je suis très étonné que le parent d'élève dise que le président de la République n'a rien fait. Ça, vraiment, je suis désolé. Il n'a pas dit qu'il n'a rien fait, il a, traîné les, il pas. la, grève a, perduré à l'université. Bon, si vous-même vous reconnaissez l'engagement du président de la République pour une école de qualité, pour que les Nigériens aillent à l'école et que il a fait de ça un problème même personnel et à chaque occasion que le président de la République rappelle que si lui, il n'a pas été à l'école, il ne serait pas président de la République, si à chaque occasion, il rappelle qu'il a besoin d'une école d'excellence et qu'à chaque occasion, il rappelle le droit à tous les Nigériens d'aller à l'école et de façon équitable. Si vous reconnaissez ça, on passe sur ce euh, point-là. Maintenant, par rapport à la responsabilité des parents. Et ça, c'est très important. Il faut bien que tous les parents accompagnent l'État de le système éducatif. On dit bien éducation. La première éducation, elle est familiale. C'est au niveau de la cellule familiale. Et là, toutes les familles, tous les parents sont interpellés. Une fois à l'étranger, j'étais en train de me plaindre que nous avons trop, comme il l'a dit, beaucoup de classes pléthoriques. Le spécialiste devant moi m'a dit, et il est natif du Japon, il me dit les classes les plus pléthoriques, c'est au Japon. Mais du fait que l'éducation au niveau de la famille et tel que quand tu arrives à l'école, tu dois nécessairement réussir, sinon au bout c'est le suicide. Si tu ne réussis pas à l'école, en grande partie au bout c'est le suicide les enfants japonais suivent les cours de face. En tout cas, il, nous a convaincus que les classes pléthoriques n'entravent pas la qualité de l'enseignement. Maintenant, il faut voir c'est quoi les classes pléthoriques, c'est quoi l'éducation, c'est quoi. Tout ça, ça peut se discuter. Mais du fait qu'il y ait un grand nombre, c'est pas du tout cela. Euh, Mesdames messieurs, revenons euh, à la déclaration du ministre des Enseignements J'en viens, j'en viens, j'en viens par rapport à cette déclaration. Vous voulez juste parler de l'ordonnance. Eh bien, nous avons pendant longtemps demandé à ce que nos élèves, surtout les petits, qui en réalité ne comprennent strictement rien de la lutte syndicale, qui soient dissociés des grands qui, eux, ont compris quelque chose et peuvent poser Vous des parlez des lycéens et les collégiens Évidemment, on a toujours demandé à ce qu'ils soient dissociés de l'USN, et nous sommes en train de travailler, de trouver des solutions. Comment ça peut arriver puisque c'était consacré par un acte de la conférence nationale Eh bien, dans notre recherche, on était effectivement tombé sur cette ordonnance-là. Et on a vu que cette ordonnance-là, personne jusqu'ici, il n'y a aucun autre texte, il n'y a aucune autre loi qui est revenue remettre ça en cause. On a dit, eh bien, voilà, appliquons l'ordonnance un point, trait. C'est donc cette ordonnance que nous avons retrouvée et nous avons discuté au niveau de notre instance, la réunion annuelle. Nous avons échangé où se trouvaient tous les directeurs centraux, tous les directeurs régionaux, tous les directeurs départementaux. Ensemble, nous avons dit qu'on doit purement et simplement appliquer cette ordonnance. C'est donc une de nos recommandations. Mais nous, on va revenir encore faire la proposition, discuter avec les partenaires pour mettre ça vous parlez, les Partenaires, vous parlez de les partenaires, tout le monde, tout le monde. On va discuter et leur dire que ah tiens, voilà, nous on a un texte et on va appliquer ce texte-là. L'application du texte, est-ce qu'en elle-même n'est pas légèrement d'une euh, autre instabilité, non. Monsieur le directeur Évidemment, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. C'est clair que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais il faut s'asseoir, discuter pour voir quels sont les acquis que ce texte remet en cause. Est-ce qu'il y a des acquis que le texte remet en cause Et si tel est le cas, comment faire en sorte que ces acquis ne soient pas complètement violés Ça, c'est une question de débat. Nous allons faire ça avec euh, les concernés et on verra comment on pourra s'en sortir. Et je profite pour dire et répondre à ce qu'il a dit, effectivement, que nous sommes l'un des rares ministères à avoir un cadre de concertation. Nous, au niveau du secondaire, on a un cadre de concertation. Je regrette que ce cadre-là n'ait pas fonctionné, mais c'est juste parce que le ministre nouvellement arrivé a voulu savoir c'est quoi, comment ça marche, et je crois que c'est même aujourd'hui qu'il est en train de tenir sa première réunion avec le cadre de concertation. Donc euh, c'est juste cela qui a fait que le cadre ne s'était pas réuni. Il a juste voulu savoir le contenu et il a pris connaissance de ce que c'est que ce cadre et de ce qu'il fait et il a convoqué la réunion du cadre de concertation. Et ce cadre de concertation, dans ce cadre de ce concertation, se trouvent les parents d'élèves, les syndicats et disons tous les acteurs, puisque même l'ISN est dans ce cadre et très souvent, nous avons jugé, avant même de créer ce cadre-là, nous avons dit qu'il faut toujours prévenir que de chercher à faire les sapeurs-pompiers. Non, non, il ne faut pas allumer le feu. Donc, il faut prévenir et c'est pourquoi ce cadre-là est créé et ce cadre-là aura l'occasion, effectivement, de revenir sur tous les problèmes parce que notre engagement, c'est avoir une année stable. Medaji Mahamadou, à l'instar du ministère de l'Éducation primaire, celui des enseignements secondaires compte lui aussi à son tour organiser une évaluation pour les enseignants du secondaire. Où en êtes-vous avec euh, ce projet Par rapport à l'évaluation, nous, on a clairement dit que c'est une évaluation en situation de classe. Donc c'est dans sa classe que l'enseignant sera suivi et les pédagogues vont déterminer sa compétence à pouvoir poursuivre son métier. Donc c'est différent de celle organisée. Je ne sais pas comment ils ont fait. Chez Boudambaji, face à tous ces défis, les syndicats du secteur de l'éducation ont pris l'engagement de sursoir à tout mouvement pour une meilleure rentrée scolaire 2018-2019. Vous l'avez rappelé, jusqu'à quand et à quelles conditions Non, Mokhtar, moi je n'ai pas dit qu'on sursoit à tout mouvement. Mais vous n'avez pas fait de mouvement, vous avez des revendications. Non, non, tout à fait. Nous avons, ce n'est pas des revendications. C'est des engagements que l'administration a pris depuis 2016 qu'elle ne met pas en œuvre. Et entre-temps, elle a trouvé d'autres solutions palliatives. Donc, hein, c'est pour dire que l'objet du conflit est toujours là. Et nous n'avons pas dit que nous renonçons aux grèves, mais nous ne souhaitons pas qu'on renoue avec les grèves. Parce que l'école, là, l'école, c'est notre raison d'être, nous, nous, en tant qu'enseignants. Et comme l'a dit, euh, quelqu'un l'a dit, nous sommes tous parents d'élèves. Donc, nous n'avons aucun intérêt à créer les conditions d'instabilité au niveau de l'école publique. Alors, vous avez posé la question de l'ordonnance. Je voudrais dire un mot là-dessus. Allez-y rapidement. Vous savez, euh, l'administration, assez souvent, elle prend des, des raccourcis au lieu de traiter les causes de l'instabilité, on va, on dépoussière une ordonnance qui est caduque. Même du point de vue du droit, cette ordonnance-là, elle est caduque. Parce que, euh, entre-temps, il y a eu la, Lausanne qui donnait le droit, notamment aux lycéens, de s'organiser en syndicat avec les étudiants. La Lausanne l'a consacré bel et bien. Et entre-temps. Lui, le directeur parle de la séparation des, collè des, collégiens, des lycéens, base 1, base 2. Non, mais les lycéens, ils sont majeurs la résolution qui a été prise ou la recommandation, c'est sur une base, c'est une base qui ne reste pas l'analyse. Je vous ai dit que la Lausanne donne la possibilité aux lycéens de s'organiser en tant que syndicat. Et cette solution-là, elle n'est pas nouvelle. Depuis sous le général seine Kounché, il a tout fait pour décrocher la section lycéenne de l'USN, de garder seulement eh, les étudiants à l'USN malgré toute son autorité, n'a pas pu l'imposer. C'est pour dire que ce n'est pas ça la solution. La solution, il faut discuter avec les gens et les préoccupations qu'ils expriment assez souvent, il faut les prendre en charge. Moi, je vous dis, Lorsque j'entends un collégien parler de classe période ou bien de latrine, je dis que non, l'administration ne fait pas preuve de responsabilité. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin que les collégiens demandent des périodes ou bien demandent des latrines. Par exemple, et <laughs> il a dit que pour les, petits pécules qu'on leur donne, que ce n'est pas la mer à boire. Mais ce que je constate, ce petit argent qu'on leur donne, hein, assez souvent, parce que ce n'est pas payé à temps, fait objet de contestation de la part des élèves. je vous assure que toutes ces préoccupations-là, si elles sont prises en charge, vous n'aurez pas l'instabilité du fait des élèves. Relativement à l'ordonnance, la, nouvelle constitution dans son, dans son préambule, voilà ce qu'elle dit. Or, l'acte là, qui, qui reconnaît l'USN, hein, on dit résolu à consolider les acquis de la République et de l'indépendance nationale, proclamé respectivement le 18 décembre 1958, le 3, le 3 août 1960, ainsi que ceux de la conférence nationale souveraine. Donc, selon vous, l'ordonnance est caduque Non, l'ordonnance, elle est tout, totalement caduque, même si elle ne l'était pas. Ce n'est pas la meilleure solution. Chez Boudambaji, en dehors du respect des libertés syndicales, du paiement à terme issu des salaires, et des pécules des enseignants. Avez-vous d'autres préoccupations Non, moi je suis d'accord avec ce que a dit. Ce que a dit. Elias et Pété. Non, ce que a dit, les syndicats n'ont pas vocation seulement à revendiquer. Les syndicats ont vocation aussi à travailler et dans le sens d'améliorer la qualité de l'enseignement. Vous croyez que ça nous fait plaisir et vous tenez une classe d'examen en fin d'année, on dit vous avez fait 20%. Non, les syndicats ont vocation à travailler dans ce sens. Et les, syndicats, les médages, nous, sommes nous avons fait même école. Mais ce que je constate assez souvent, l'administration n'associe pas au niveau de cet aspect les syndicats, les organisations sociales. Par exemple, je remarque que les réunions annuelles, les réunions annuelles des cadres de l'enseignement, les partenaires sociaux ne sont pas invités. Ce n'est pas une bonne chose selon Non, ce n'est pas une bonne chose. Eh, les, les Elias sont des partenaires de l'école. Mais je vous assure que tous les autres ministères, lorsqu'ils organisent leurs réunions annuelles, le représentants des travailleurs, ils sont invités. Si, si on était à la rencontre, là, vous croyez qu'on va laisser passer la solution de l'ordonnance Ce n'est pas une bonne solution. C'est une solution confligène. Elias Oualousseni, ASOEPT a signé avec euh, les ministères de l'Éducation, de l'UNICEF, ce qu'on appelle les engagements de l'éducation, les 10 engagements de l'éducation. Quel est le contenu de ce document et en quoi il peut aider pour une bonne année scolaire ou la stabilité de l'école euh, Merci Mokhtar. Les 10 engagements que nous avons signés avec euh, les ministères, les partenaires techniques et financiers, c'est sur la scolarisation de la jeune fille. Il y a un certain nombre d'engagements ou un certain nombre de critères que nous avons élaborés ensemble. Il devrait créer les conditions pour maintenir, éventuellement créer les conditions pour euh, la réussite de la jeune fille à l'école. À son temps, euh, le ministre de la formation professionnelle, qui était président du groupe local des partenaires techniques et financiers, avait signé ces papiers au nom de l'ensemble des ministères en charge de l'éducation. La coalition SOEPT a également signé et, et tous les autres partenaires. Et dans ce document, il a été défini un certain nombre de critères, comme je dis, qui créent les conditions. Cela veut dire qu'encourager les parents à inscrire d'abord la jeune fille à l'école, créer les conditions pour son maintien, créer les conditions pour son épanouissement, et donner des bourses euh, éventuellement à, toutes ces filles. C'est à cela que nous avons souscrit. Et nous pensons que euh, c'est une très bonne chose. Ça crée les conditions de maintien de, cette euh, filles, parce qu'on dit que les filles sont souvent marginalisées à l'école, euh, les conditions ne sont pas créées, il y a le mariage précoce, il y a les grossesses, euh, tout ça là qui arrive. On a essayé d'encadrer euh, tout cela. Et indépendamment, il y a des travaux qui se font aussi avec le ministère de la Population pour prendre un certain nombre de lois qui protègent la fille à l'école. C'est cela que nous avons souscrit à travers ces dix engagements. Abdoulaye Adamou, quelles sont vos attentes, les attentes les plus urgentes vous savez, euh, moi je suis venu, je vous ai pris en cours, mais donnez-moi le temps de m'exprimer. Vous posez des questions. D'autre part, j'étais interpellé. Quand on parle de l'ordonnance 96, nous avons une rencontre nous-mêmes avec le ministre. Il était question, c'est-à-dire, c'est de refaire, revenir. À l'époque, ce n'était pas euh, une association pour les élèves des écoles de la 6e. C'est euh, des coopératives. Des coopératives scolaires. C'est juste pour en revenir à cette position-là. Et je pense que tout cela et eh, vous savez, comme les ordonnances, d'une ordonnance à une autre, par la conférence nationale, comme l'a dit tout à l'heure, hein, la conférence nationale a d'autres actes aussi. Et nous avons aussi d'autres euh, ordonnances. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ces élèves-là sont arrivés à comprendre qu'il faut nécessairement aller par euh, le syndicalisme. vous voyez, donc tout cela devait être une situation qui devait être préparée en amont pour que euh, pour créer l'instabilité l'instabilité. Parce que si jamais il faut revenir, l'élève, tout de suite, qui est habitué à vivre depuis la conférence nationale, mhm. au syndicalisme, on veut les amener à la, aux coopératives scolaires. Vous voyez, pour eux, c'est comme si on voulait leur écarter de leurs droits pour permettre de, le, revendiquer. Et je pense que quand je dis que le président de la République. les parents d'élèves. On l'a toujours dit, et tout le monde l'a dit. Et nous allons continuer à le dire que le président de la République est responsable. Il devait être responsable. Il va, il doit s'assumer. C'est lui le père de la nation. C'est lui le père de la nation. Aujourd'hui, tout ce que les techniciens lui disent, après lui-même, il a compris que c'est du faux. Il l'a compris. On lui a fait comprendre qu'il y a 56% par-ci, par-là, alors qu'il s'est retrouvé lui-même, qui a compris qu'il y a eu 27% au, bac, 38% au, au, BPC. Au BPC. Mais lui-même a compris. Tant que bah, c'est Fari. C'est cela l'a dit le Hausa. Donc, si jamais ceux qui sont en bas là n'arrivent pas à mettre le président de la République dans la bonne voie, il va, on va l'enduire chaque fois à des erreurs. Et c'est ce que c'est pourquoi nous, nous déplorons. Pourquoi Parce que quand il y a un événement de cette situation, deux mois, la présence physique des forces de l'ordre dans un campus, c'est sérieux, c'est sérieux. sérieux. Voir mort d'homme, tout ça, c'est nos enfants. Nous sommes tous responsables. C'est pourquoi je dis tout le monde est responsable, tout le monde est parent d'élèves. Donc voilà la situation. Ce n'est pas parce que euh, les rapports qu'on lui envoie pour lui dire qu'on a 56% de taux de réussite. Nous, nous sommes, les publics soit à 56%. Les privés sont à 70%. Et on peut aller à l'examen. On se retrouve avec 7%. Au niveau de l'association des parents d'élèves et étudiants, quelles sont vos attentes concrètement pour Nous, nos attentes, on a beau demander qu'il y ait. Eh, eh, la rencontre, une rencontre Non, pas la rencontre. Nous avons voulu qu'il y ait eh, un forum avant la rentrée. nous l'avons souhaité. Mais malheureusement, pour des questions financières, ils ne l'ont pas fait parce que maintenant, le cadre de consultation dont il parle, moi je viens juste de mon bureau ce matin, nous, jusqu'à présent, on n'a aucune correspondance du ministère qui a, invité un de leurs pour ce, cadre de concertation. Donc, nous, nous avons souhaité qu'il y ait un forum national avec tous les ministres, tous les euh, ministres en charge de l'éducation nationale pour que vraiment des recommandations soient sorties de, cette, de ce forum et qu'ils ne soient pas mises dans les tiroirs. Nous sommes au terme de ce forum du Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Maïdaji Mahamadou, directeur général des formations, euh, examens et concours au ministère des enseignements secondaires. Chebou Dambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Iliasou al vice-président de la coalition des ONG et associations et syndicats pour une éducation pour tous à ce EPT. Et Abdoulaye Adamou, président régional de l'association des parents de l'élève étudiants de la région de Niamey. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.